Euh, je suis Ababakar Ngom, le président de la Fédération sénégalaise de judo et de disciplines associées, euh, président de la commission d'arbitrage de l'Union africaine de judo et membre aussi de la Fédération nationale de judo. Et voilà, donc euh, c'est la présentation euh, sixième dan de, de, judo. Vous êtes, à Saint-Louis, que Mais vous savez, pour nous, Fédération sénégalaise de judo, Saint-Louis représente une étape extrêmement importante. Nous avons déjà euh, dit en interne au niveau du comité exécutif qu'il faudrait entamer très rapidement des visites au niveau des, régions, euh, aller voir les ligues et les clubs qui sont disséminés un peu partout au Sénégal. Mais nous allons commencer par Saint-Louis. Saint-Louis, c'est une histoire. Euh, la fédération a 62 ans aujourd'hui d'existence. Je pense que Saint-Louis, une ville tricentenaire et regorgeant de beaucoup, beaucoup de, de champion d'élite, euh, nous pensons qu'il est normal qu'on démarre par cette euh, magnifique ville où le sport est vraiment roi. C'est des pays de très grands sportifs. Donc nous sommes là pour venir voir, on peut nous acquérir de la situation, comment travailler les clubs, et pouvoir effectivement apporter des solutions euh, par rapport à cela, parce que nous connaissons réellement les difficultés qu'il y a eu de la détection, de la formation, euh, de la préparation, de, la participation des compétitions. Et beaucoup de, l'écosystème du sport, du judo, est tout à fait assez euh, grand. Et nous essayons aujourd'hui, effectivement, de faire ce déplacement-là. Cette délégation, elle est forte quand même parce que je suis avec le comité exécutif. Euh, nous avons le colonel Massamba Diop, qui est membre du comité exécutif et président de la Ligue de l'Aïkido, parce que nous avons le discipline associé. avec le Beng, qui est dans le comité exécutif, ancienne championne euh, d'Afrique, et en même temps, elle est, euh, arbitre mondial. Donc euh, voilà. Et avec maintenant notre représentant légal, on pourrait dire, donc le président Gourfey, qui est le président de la, Ligue de, Saint-Louis avec son bureau et son staff. aussi, des problèmes différents, mais également, il y a des problèmes sur le plan des infrastructures. nous savons, ben, il faut le dire, les, est la base de toute réussite, il faut le dire. Euh, nous sommes en train de, voir au niveau d'abord de Saint-Louis les efforts qui sont donnés. Parce que Saint-Louis, il faut voir que n'ont pas attendu quand même l'État. N'ont pas attendu aussi donc, les, euh, structures fédérales. Hein. Ils, ont, ils ont de par rapport les propres moyens de ce qu'ils ont pu trouver, chercher des partenaires. Et je pense que c'est là où on, installe un jeu de fécond. C'est-à-dire on va démarrer par nous-mêmes c'est ce que la fédération est en train de faire et après maintenant l'élargir sur le plan euh, national et l'État viendra si on le trouve en train de travailler. Donc c'est vrai que notre euh, rôle aujourd'hui c'est de chercher des, euh, à mettre des infrastructures de développement et à les équiper aussi. Et ça c'est une part de notre visite aussi à, Saint-Louis. On ne peut pas parler du du de Saint-Louisien sans pour autant parler du tournoi international de Saint-Louis. Vous savez, euh, le tournoi international de Saint-Louis, moi je vous dis une chose, j'étais compétiteur dans les premiers tournois. Euh, à l'époque, on venait dans les minibus pour venir à, Saint-Louis. Et ce n'était pas évident. On travaillait, on, compétissait sous, euh, à ciel ouvert. Et il faisait tellement chaud que moi, je me rappelle, je montais à vers 22 heures. Comme ça, le temps soit plus clément pour monter et travailler et dans des conditions. Voilà. Donc l'histoire du tournoi international, c'est une histoire assez lointaine. Pour nous sommes venus aussi pour essayer de redynamiser euh, par rapport à l'époque vraiment de, de, cette compétition euh, internationale. Nous sommes, venus pour essayer de voir entre la famille de feu euh, Ababakar Fall l'Institut de Saint-Louis qui ont porté les, les, premières éditions et exactement la, Ligue. Donc c'est pour ça que nous sommes venus discuter, voir effectivement comment faire pour que ce tournoi-là puisse se développer davantage, d'autant plus que ma casquette de représentant de l'Union africaine de judo, parce que je suis venu plusieurs fois ici représenter le président de l'Union africaine de judo. Donc il est tout à fait normal qu'on puisse en parler au niveau du secrétariat, au niveau de l'Union africaine du judo, pour que toutes les fédérations affiliées à l'Union africaine du judo puissent venir. Et sur le plan international, par effet d'entraînement, vous avez la Fédération internationale du judo. C'est ce que Saint-Louis mérite, c'est pour cela que nous sommes là. Parce que vu l'importance de ce que peut faire ce tournoi international, il faut que ce tournoi apporte beaucoup de choses à saint euh, sur tous les plans, je voulais dire. Parce que euh, si on regarde, et j'en parle tout à l'heure de l'écosystème d'un tournoi, vous avez, et tout le monde s'y retrouve, vous avez l'hébergement, vous avez la restauration, vous avez les déplacements, que ce soit avion, aujourd'hui on a l'aéroport à Saint-Louis, que ce soit les compagnies aériennes, les, transporteurs, mais tout le monde y gagne, et, c'est, sur la, sous-région aussi. Donc pour cela, ce label, tournoi international de la ville de Saint-Louis, on va le sauvegarder. En tout cas, c'est ce que pense notre euh, euh, comité exécutif et on y travaille. Hein. et je pense que c'est. Vous voyez, on, est, là depuis ce matin et on n'a pas encore fini parce que nous voulons porter ce label-là et c'est possible parce que c'est Saint-Louis. Alors, nous avons, euh, ce qui est tout à fait normal, nous ne pouvons pas venir jusqu'à Saint-Louis pour repartir sans, sans voir le premier magistrat de la ville et qui en même temps notre parent parce qu'il est Boudoka. Quand je suis rentré dans son bureau, je lui ai dit, adieu. Il a compris, et à la fin, je lui ai dit euh, que c'est fini, ça veut dire euh, Alors, pourquoi C'est parce que, en tant que maire de celui moi je l'ai rencontré plusieurs fois, j'étais arbitre dans ces tournois-là. Il nous a accueillis, et malgré son agenda assez, chargé, mais il, il comprend vraiment notre démarche, il comprend notre mission, il nous encourage vraiment et à, y réussir, d'autant plus qu'il dit qu'il est le premier garant et il a vraiment donné des instructions claires, instruit le, le maire adjoint, M. Lamignaï, qui chargé du sport, de soutenir nos initiatives au-delà du tournoi international du judo. Nous avons des computers là, nous avons, nous avons commencé à convoquer pas mal de jeunes judoka athlètes pour se préparer pour la, le championnat d'Afrique euh, qui se tiendra le mois prochain au Cameroun. Yaoundé, et c'est des élites qui vont venir de, de Saint-Louis, en même temps des superviseurs, des formateurs qui vont venir à Dakar au niveau de l'académie, effectivement pour, faire, donner, pour donner des, des résultats. De Ababakar Ngom, maa ngi Ababakar Ababacar Ngom de euh, président euh, fédération sénégalaise de judo ak discipline yu bëri yoo xam ne Je suis ci biir euh, li ko waral ma ñëw fii dama am dama fédération fédération mais wax ci dolli aussi dama am yeneen mbaxane yoo xam ne nii ci Afrique waaw suñu ñëw tey rek ci Saint-Louis dafa nekk liggéey boo xam ne nii dañ ci waxtaan suñu biir ci comité exécutif bi pour ñu mën a commencé génn effectivement seeti ligue yi ak seeti club yi nga xam ne nii ñoo ñoo wër Sénégal lank ñi nga xam ne ay athlète lañu ñu commencé liggéey boo xam ne nii yaakaar nañu ne war nañ door nañ ko lu yàgg mais dañ ci war a yokk ndax Sénégal yi ñëpp xam ni Dakar 2026 mooy Jeux olympiques yi nga xam ne nii moo gën a mag ci jeu yoo xam ne yu am jongante yu am solo te Sénégal moo ko njëkk a organisé si euh, monde bi ba pare ñu def ko Afrique c'est-à-dire monde bi ñëpp ñoo ñu Afrique laa ko bëgg waxee te bu ñëwee Afrique Sénégal lañ jëm te Sénégal moo koy njëkk a organisé loolu nag am na solo moo taxu ñu ñëwoon doon waxtaan pour trouver ay euh, xolaat bu baax a baax te gis nañu tamit délégation bu ñu àndal nekk délégation bu am solo ndaxte ñu ko ñu ko seq yëpp ay ay kilifa lañu. ndax ci doole yi nga xam ne nii mooy euh, président ligue bi ñëw na ànd ak ñun ànd ak euh, vraiment ay ay nitam te wane nag liggéey bu am solo wane na ko liggéey am solo bu def ci dëkk bi ah, léegi nag euh, li ñu soxal tamit ci tànk yooyu dañu gis ne tournoi international bi dañ ci war taxaw def ci suñuy jéego mu nekk tournoi boo xam ne ni bu rëy ndaxte boo ko seetloo tournoi bi dafa nekk loo xam ne nii Sénégal lépp ñoo ko soxal ñëpp ko moom waa Ndar actuellement moomatuñu ko ndaxte tournoi international la Afrique ba monde bi ñëpp fi doon ñëw di ñëw di def la nga xam ne nii lu am solo la ndax dana yëngal euh, dëkk bi ci koom-koom ak li nga xam ne nii mooy jongent yu rafet ba pare Saint-Louis turam nekk loo xam ne nii luy wër adduna si la te tournoi bi fi mu toll nii ñu ngi ci ñaar fukki ak juróom daanaka ñu koy waajal mu war a taxaw moo xam ne nag loolu lu dëgg rek la du dëgg du yàgg léegi nag waxtaan bi daal li ñu fi ñoon mooy waxtaan ak njaboot ji ko seet ñu mën a juboo gën koo yokk gën a yokk danañ dayin bi ndaxte ñun suñu bopp am na loo xam ne ni bu ci taxawee ñun fédération waxtaan ak suñu naataangoo yi nga xam ne nekk Afrique ak ci monde bi fédération yi fi mu toll euh, tournoi bi fi mu toll woon daañu ko gën a yokk loolu nag moo taxoon tey euh, monsieur le maire recevoir ñu euh, Mansour Faye recevoir ñu ci loolu ñu waxtaan ci moom bi ko waxtaanee ci moom daal moom li mu wax dafa ne sama njaboot la donc lépp loolu ci bëgg rek da ngeen ma ko wax man li ma gënoon daal mooy Saint-Louis nekk vraiment tournoi bi nekk benn tournoi ñu am ci ndam ndaxte loolu moo tax effectivement dëkk bi nekk dëkk bu bu bu ba pare ñëpp gis seen bopp loolu daal euh, moo fi indi woon daal tey ci ci Saint-Louis waaw léegi li nga xam ne nag mooy euh, euh, li bi infrastructure mooy lépp loo xam ne la yoo xam ne mën fa yóbbu ay athlètes ñu fay préparer dafa dégg lu am solo boo demee ba gis ñi nga ni yaakaar nga ne fii leen jëlee bu baax baax.

am nañu ay béréb yoo xam ne ni seen bopp ñu ñoo wut seen i coopération taxawal ko ñu wóor leen léegi nag li ci indi le li ñu ci mën a dolli mooy matériel bi nga xam ne ni mënul ñàkk muy ay tatami yeeg ay kimono ak yoo xam ne ni dana tax seen liggéey gën a mën a yokk ñu boole ci tamit suñuy relation ak suñuy partenariat moo tax am nañ ci yaakaar ne incha allah lu gàtt di nga ci gis lu bari bari lu jóg ci ci ci seen